Yeah. Kalangu, kalangu. Hello amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actu des jeunes, votre émission préférée qui vient chaque week-end du studio Kalangu au rythme du Niger. Au micro c'est Samira Rafi et à mes côtés mon partenaire de tous les temps, Olivier Assogbavi. Olivier en forme Oui ça va, je suis ton partenaire. Bien sûr. <laughs> Alors Mira, dis-moi, qu'est-ce qui fait l'actualité ce samedi ce soir, Oli, nous allons commencer par le département de Junju dans la région de Doso où s'est tenu un atelier de formation en gouvernance locale. Quant au minimac de ce samedi, il va nous faire découvrir l'ambiance de la campagne électorale pour les municipales et les régionales à Agadez. Et enfin, du taekwondo dans la page sport de cette édition. Oli, comme je le disais, nous allons commencer par la région de Dosso où s'est tenu samedi dernier un atelier de formation des jeunes du département de Djundjou. Exactement, les échanges ont porté sur la redevabilité et la citoyenneté dans le cadre de la gouvernance locale, sous l'initiative du Conseil régional de la jeunesse et l'UNICEF. Fadel Alou était sur place au son reportage. Cette rencontre vise à converger les jeunes et les autorités locales de Djundjoun vers une vision commune de développement local. Ali Niaye, président du conseil régional de la jeunesse de Dosso. C'est de ramener les jeunes, surtout créer d'abord un cadre de dialogue, ramener les jeunes et les autorités autour d'un même espace pour euh, vraiment voir vraiment comment évoluer ensemble. Des engagements pris déjà par les jeunes pour euh, développer leur communauté. Ces engagements pris par les jeunes se regroupent dans quatre domaines dont l'éducation, la santé, l'environnement. Mokta Adamou, président du conseil départemental de la jeunesse de Junju. Si nous prenons l'exemple de l'éducation qui est en retard dans notre département, nous avons pris des engagements pour apporter des changements. La salubrité se faisait depuis longtemps, mais nous allons encore faire plus d'efforts et réunir plus de personnes. Nous comptons planter aussi des arbres qui vont produire. Pour faire tout ceci, nous avons besoin besoin d'appui. Cet atelier de formation a duré trois jours. La dernière journée était consacrée au plan de suivi des engagements pris par les jeunes. 127 jeunes déscolarisés formés en couture, perlage et autres domaines de la mode par Hadiline Création. Pendant 11 mois, ils ont obtenu leur diplôme le mercredi dernier. Effectivement, Oli, pour la précision, cette formation gratuite appuyée par le FAFPA entre dans le cadre de la lutte contre le chômage. Hadiza Amodomega, promotrice de Hardline Creation, nous en dit plus. Elle est au micro de Fanta Avec ces 127, ça va faire 912 jeunes qu'on a formés en 7 ans. Tous ceux que je forme sont des jeunes déscolarisés et la plupart de ces jeunes, je les ai rencontrés dans mes actions sociales et je leur propose de venir. Il il y a beaucoup d'handicapés aussi qui viennent apprendre parce que ce sont des gens avec qui je me familiarise au niveau des feux optiques et je leur propose de venir suivre la formation. Après la formation, on fait tout pour leur trouver des machines, des kits pour démarrer leurs propres activités. Et la passée a été particulièrement difficile, même ce sont on ne pouvait pas. Donc on s'est tourné vers le FAFPA, on leur a expliqué et c'est en ce moment qu'ils nous ont dit que voilà, ils peuvent nous prendre euh, Oli, cela fait maintenant environ un mois et demi que s'est effectuée la reprise des classes sur toute l'étendue du territoire nigérien. À Niamey, les cours vont bon train. Le niveau d'exécution du programme est estimé dans certaines écoles entre 25 et 30 pour les classes d'examen. Reportage de Hawa Maman. Les cours se déroulent sûrement dans les écoles où un accent particulier est mis sur les classes d'examen. Objectif garantir aux candidats une meilleure assimilation des cours avant les examens, ont assuré l'ascenseur du CS Rive Droite 2 et la provision du CES Rive Droite 1, Boubacar Falmata. Si nous prenons les classes d'examen, eh, vraiment, ils sont à un taux un peu avancé, dans les 30%, même dans les autres classes. Les élèves et les enseignants sont réguliers en classe. Nous projetons très prochainement d'aller même au devoir commun. Un mois et demi de cours sur le trimestre donc on est à peu près 25%. Hein. Une seule crainte pour ces responsables d'établissement, la perturbation des cours par une éventuelle fermeture des écoles pour cause de coronavirus, surtout que les cas se multiplient au Niger ces derniers jours. Vu la situation qu'on a vécue l'année passée, on ne souhaite même pas vraiment revivre la même situation parce que ça a eu des répercussions sur les résultats. S'il y a interruption de cours, c'est normal qu'il y ait crainte. On ne peut pas progresser. En attendant, les candidats aux examens, eux, profitent bien de leurs heures de cours. La campagne électorale pour les municipales et régionales a débuté ce mardi 2 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire nigérien. Oui, Olivier, et à Agadez, ce sont les jeunes candidats qui ont animé les différents sièges de reportage Moussa Maman. nuit, l'ambiance était grandiose dans les différents quartiers généraux qui gèrent des partis politiques, les morales et chez les jeunes politiciens pour le début de cette campagne. Il faut que les jeunes prennent conscience, c'est notre temps. J'appelle aux frères, jeunes et amis, il ne faut pas qu'ils se laissent faire pour se retrouver derrière. Les grandes artères de la capitale de l'Aïr ont été arborées par les drapeaux de différents partis en compétition. Dans la commune d'Agadez, les jeunes veulent relever le défi, explique Bachir Ramadou un jeune candidat aux élections locales. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, puisque c'est un moment qu'on a longtemps attendu. Nous, au niveau de la commune d'Agadez, on veut relever les défis, surtout la jeunesse, puisqu'on a été écarté de tous les systèmes. c'est notre tour de faire les reflets et donner la chance aux autres jeunes d'être titulaires d'autres. Les leaders politiques de la région d'Agadez ont appelé à l'apaisement courant cette campagne électorale. De la politique à présent, passons au sport. La Maison des Jeunes et de la Culture Adam Moufodi de Gaïa a servi de cadre le week-end dernier à une compétition de taekwondo pour les jeunes de moins de 20 ans. Ce tournoi a regroupé quatre clubs de taekwondo de la ville. la Alou a suivi pour nous les deux jours de compétition. Suivons son reportage. C'est sous les yeux admiratifs des spectateurs que les jeunes taekwondoïstes de la ville ont livré les combats. Ismaël Namata, l'initiateur de cette compétition, explique l'objectif visé. Bon, avant, ça ne tenait pas. Donc, euh, je dit, une fois qu'on s'est réconcilié, je vais mettre une compétition, une mise à jambe pour les enfants. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Après un long après-midi de combat, c'est vers 19h que commencèrent les délibérations. Des médailles sont attribuées aux quatre premiers de chaque catégorie. Les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. J'ai remporté la médaille d'or. C'est une compétition entre amis. C'est juste pour se distraire. Du côté des organisateurs et maîtres des clubs, c'est la satisfaction générale. On remercie Dieu. Tout s'est bien passé. Les enfants savent maintenant là où ils ont des lacunes. Nous avons terminé sans problème. Au vu de l'enfant, L'engouement suscité par cette compétition, les organisateurs comptent garder le cap. C'est ici que prend fin l'actu des jeunes de ce soir. Merci de l'avoir suivi. À réécouter à volonté sur le Tra 5 avec RTL, c'est gratuit.